le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème la réalisation du projet de la Grande Muraille Verte, où en sommes-nous la Grande Muraille Verte est le programme phare du continent africain pour combattre les changements climatiques, la désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté. D'après un bulletin publié par Action contre la désertification de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce projet peut transformer la vie des millions de personnes par la création d'une vaste mosaïque de paysages verts et productifs à travers l'Afrique du Nord, le Sahel et la Corne de l'Afrique. Adopté par euh, l'Union africaine en 2007, l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel rassemble plus de 20 pays africains ainsi que des organisations internationales, des instituts de recherche, la société civile et des organisations communautaires. Cette émission permettra au grand public de mieux comprendre la situation actuelle et les enjeux du projet de la Grande Muraille verte, les moyens et les politiques en perspective. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Abdou Maïcharou, directeur général de la Grande Muraille verte au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Abdou Maïcharou, bonsoir. Bonsoir. Wata Sama Issoufou, conseiller technique Action contre la désertification à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Wata Sama Issoufou, bonsoir. Bonsoir. Et Adamou Garba, président du Parti écologique du Niger, le RSV Nima. Adamou Garba, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Mamadou Maïcharou, que peut-on retenir au sujet de ce grand projet africain Merci beaucoup vraiment de l'occasion que vous me donnez pour euh, encore une fois de plus vous entretenir sur ce quoi l'initiative de la Grande Miravette. En fait, il faut, il faut un peu faire le recul pour voir comment l'idée est venue. Et dans le cadre du, du Sansad, dans les années 2004-2005, euh, lors de une idée a émergé de l'ancien président Olusegun Obasanjo, le président du Nigeria. Et compte tenu de cette avancée de désert-là, il avait émis l'idée, émis l'idée de est-ce que dans le cadre de Sansad-là, on ne peut pas ériger un mur vert. C'est ça le Great Green Wall. L'idée a été, a été bien saluée, en tout cas, parmi ses, ses pairs, ses, collègues chefs d'État d'antan. Et Abdoulaye Ouad, en tant que le président de la commission environnement du, NEPAD, a, pris, a repris l'idée et a cherché à la concrétiser à travers plusieurs réunions des chefs d'État et de gouvernement qui sont passés dans la, tous les, pays de, de, l'espace sahélien. Mais l'idée concrète a été vraiment concrétisée avec euh, la tenue de la, première conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à N'Djamena en juin 2017 2007. qui a euh, ouvert à la signature une convention qui a été élaborée pour mettre ensemble tous les pays du Sahel qui sont vraiment partants dans cette initiative-là. Le Niger était présent. En nous savons c'était au moment de la, transition, c'est le, le Premier ministre euh, Mamadanda qui, a représenté le Niger à cette, à cette euh, conférence des chefs d'État. Il a signé la convention du retour ici à Niamey, également, l'idée de cette, euh, initiative-là a été soumise au niveau de, de, l'Assemblée nationale, la représentation populaire nigérienne, qui a également ratifié par loi euh, cette euh, convention portant création de l'Agence panafricaine de la Grande Miravette. Mais il faut noter, au, moment de cette, de cette conférence des chefs d'État, en tout cas, 11 pays du Sahel qui se sont vraiment qui se sentent très menacés de cette euh, désertification-là, sont partants, ils ont signé la, convention dans, le Niger. De retour, chacun dans son pays a mis en œuvre le processus pour la ratification de la convention portant création de la de l'agence panafricaine de la, de la Grande Navette. Ici, au Niger, nous l'avons adoptée en 2012. Formellement, il y a une loi qui est adoptée qui a ratifié la convention portant création de l'Agence la, de nationale de la grande gravette. Bon, de, retour du, du, Premier ministre ici, donc nous, on, on nous a mis en, œuvre pour pouvoir comment il faut concrétiser cette idée panafricaine au niveau national, avec l'appui de la FAO qui nous a aidés pour recruter des consultants pour voir comment concevoir un programme qui cadre parfaitement au contexte nigérien dans le cadre de la mise en œuvre de cette, de cette initiative-là. Ici également, il y a eu beaucoup de processus, beaucoup de forums euh, régionaux qui ont, ont eu lieu dans l'ensemble des régions pour comment donner un contenu à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Lavette. Ensuite, en novembre 2011, il y a eu un grand forum ici à Niamey qui a regroupé l'ensemble des l'ensemble des participants des régions, ça doit être les représentants du gouvernement de la société civile également, qui ont adopté le contenu de notre plan d'action et de stratégie de mise en œuvre de la Grande miravette. Abdou Maïcharou, l'idée d'une muraille verte est apparue en 2002 à N'Djamena, au Tchad, lors du sommet spécial sur la lutte contre la désertification et la chasseresse. Aujourd'hui, 18 euh, ans après, qu'est-ce qui a été fait euh, sur le terrain Vraiment, beaucoup de choses ont été faites. Mais euh, ce qu'il faut retenir au niveau de l'Agence panafricaine de la graine verte, un programme a été mis en place sur comment il faut mettre cette initiative-là pendant, pendant toute la durée. On s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de, de l'Union africaine. Donc, c'est pour cela, à partir de 2010, la date de repère pour, la, pour cette initiative-là, c'est vraiment 2010. Donc, il y a eu un premier plan quinquennal 2010-2015. 2015-2016-2021, ainsi de suite. Donc, le premier plan quinquennal 2010-2015 a été vraiment consacré à la mise en œuvre des institutions au niveau de chacun des pays qui portent cette initiative-là dans le pays. Mais parallèlement, ici, nous, nous avons bénéficié de, de beaucoup d'appui dans le premier quinquennat du, gouvernement. C'est dans les environ 500 millions de, francs, je pas, qui, qui, qui, sont mis à la disposition de l'agence, en cas en 2011. Donc, euh, nous, nous a dit non, non, on, on va commencer parallèlement qu'on fait les réflexions il faut aller sur le terrain, occuper le terrain. Donc c'est pour cela que nous avons, nous avons jusqu'en date sur le, uniquement le budget national. Euh, en date actuellement, c'est dans les 1 870 000 hectares qui ont été réalisés dans le cadre de l'appui budgétaire de, qui sort directement du budget national. Mais parallèlement également, nous avons commencé à, à élaborer des documents de projet, à être accompagnés par la FAO, le mécanisme mondial pour euh, élaborer des documents de projet, mais également les porter. C'est dans ce cadre-là que, par exemple, nous avons le premier, le premier programme, que, le premier projet que nous avons mis en place de, 2015 jusqu'en 2018, le projet Fleuve, Front local environnemental pour une union verte. C'est toujours le financement de l'Union européenne avec la mise en œuvre accompagnée par le mécanisme mondial de l'UNCCD. Donc, ça a pris fin en 2018 et ça a porté sur 10 euh, communes. Et les résultats également sont, sont, très importants en termes de récupération des terres, en termes de l'embauche, en termes de création d'emplois et surtout en termes de création d'une initiative que nous appelons les fermes agricoles communautaires intégrées. Je dois euh, un peu insister par rapport à cette, cette, initiative vraiment très importante où, au niveau de chacune des communes bénéficiaires qui disposent des terres, qui disposent d'un point d'eau, et qui disposent de la main-d'œuvre et qui sont d'accord de travailler ensemble pour améliorer leurs revenus. C'est ainsi que, dans le cadre de ce projet-là, nous avons créé quatre fermes qui sont actuellement très importantes, sur lesquelles les populations tirent beaucoup de, bénéfices. Pas très loin, ici, c'est à Cargubango. Vous allez voir l'exemple concret je pense qu'à un moment, la représentation nationale, ils ont fait une, session là-dessus. C'est vraiment concret là. L'eau est maîtrisée, la terre est là, le périmètre est sécurisé, les gens sont d'accord, ils font, ils font les maraîchages, ils font euh, la production du poisson, mais aussi, aussi bien d'autres bien d'autres activités. Le deuxième projet que nous avons toujours avec le financement de l'Union européenne, mais cette, cette fois-ci, la mise en œuvre est accompagnée par euh, la FAO, le projet, ce que vous avez appelé ACD, projet Action contre la désertification. C'est piloté par, euh, par la FAO. Nous avons, vous avez en présent, peut-être Colonel Colonel Major va revenir là-dessus. ça. En, fait, là, c'est du commun. C'est du commun, le projet ACD, Action contre la désertification, c'est du commun. Après, il y a deux autres communes euh, qui sont ajoutées. L'objectif était de réaliser au moins, en termes de, récupération des terres, 12 000 hectares. Ouattara vous revenez pour vous donner les chiffres, mais là, nous sommes largement en dépassement de ces 12 000 hectares. Mais avec la combinaison de, la technique manuelle, ça veut dire qu'on utilise les gens pour faire les ouvrages, mais également, là, nous avons introduit dans les zones reculées une, une autre technologie, la technologie Delphino, c'est le tracteur avec une charrue adoptée qui fait, qui fait les ouvrages. Le, deuxième aspect par rapport à ce projet-là, c'est la, la, création des entreprises forestières. Nous sommes dit, au niveau de, de l'ensemble de ces communes-là, cible de ACD 10, mais également d'autres communes de, de l'Agence nationale de la graine les gens vivent au jour le jour et sur les ressources de l'environnement. Donc nous sommes dit, non, non, il faut les organiser pour davantage préserver les ressources naturelles et encore tirer de profit. C'est comme ça que nous avons créé des entreprises pour la récolte des semences, récolte et vente des semences, après des formations. On a mis en place ces organisations. Nous avons également mis des groupements pour la récolte et la transformation des fruits de nos espèces, notamment le, le, le, le balanites, notamment les malgré les difficultés dans l'extraction de l'amande qui est traitée pour avoir de l'huile, en tout cas, les gens se sont engagés. La dernière fois qui s'est tenue à, à, à, Niamey, là, je, pense que vous avez vu une gamme variée au, niveau de la foire. au niveau de la foire des huiles qui ont été produites dans, dans, ce sens-là. Voilà en quelque sorte, Wata va revenir pour compléter en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, où ce qu'on... Et on continue vraiment à, à avoir des élaborer des projets. Il y a beaucoup qui sont dans le pipeline, peut-être on va revenir là-dessus. Wata euh, Sama comment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, aborde-t-elle le projet de la Grande Muraille Verte merci. Euh, <clears throat> effectivement, l'un des projets majeurs à travers lesquels euh, la FAO intervient pour la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, c'est le projet, vous l'avez dit, le projet Action contre la désertification. C'est un projet financé par l'Union européenne, ACP, et donc mis en œuvre par la FAO pour euh, soutenir les efforts mondiaux de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre la désertification, dans ses causes les plus profondes, bien sûr, et également pour faire face à tous les effets n'est-ce pas, liées à cette désertification, la dégradation des terres, la sécheresse, et cela dans les pays ACP. Ces pays ACP en particulier, c'est le Burkina Faso, c'est l'Éthiopie, c'est les îles Fiji, la Gambie, l'Haïti, le, Niger, précisément le Nigeria et le Sénégal, hein, n'est-ce pas et, donc, c'est tous ces pays-là qui sont concernés. Pour ce qui concerne euh, donc euh, d'autres pays, en fait, ce projet les aide tout simplement à, mettre en œuvre aussi des actions de restauration, euh, pas exactement dans le cadre de la muraille verte, mais pour exécuter leur engagement vis-à-vis du programme d'action nationaux de lutte contre la désertification. Et donc, euh, ce projet, n'est-ce pas, intervient au Niger. Il intervient au Niger sur, euh, sur une dizaine de communes dizaines de communes auxquelles nous avons ajouté trois, donc 13 euh, communes, trois dans la. C'est Bankilare, c'est Yagourou, c'est hein, n'est-ce pas Et puis maintenant 10 autres, autres communes initialement ciblées pour la mise en œuvre de, cette grande muraille verte. Et donc euh, ce, projet s'est exécuté à partir de 2016. Euh, et donc depuis 2016 à ce jour, sur un objectif, comme il l'a dit, effectivement de 12 000 hectares. Nous sommes euh, actuellement à, près de 14 000 hectares, combinant euh, toutes les formes, n'est-ce pas, de restauration, allant de la restauration mécanique, comme il l'a dit, l'accent étant beaucoup plus mis sur justement cette restauration mécanique euh, utilisant donc un tracteur équipé d'une d'une charrue delphino réversible qui permet, n'est-ce pas, de faire des demi-lunes qui euh, perforent le sol de façon euh, de manière très profonde pour emmagasiner suffisamment d'eau et permettre donc aux plantes euh, qui vont être mises en place, hein, n'est-ce pas, de bénéficier de, de l'humidité ainsi, ainsi euh, créée, de faire des conditions de cette, ce fonçage, n'est-ce pas, des terres. Donc c'est des demi-lunes mécaniques qui sont mises en place et qui sont très opérationnelles et qui fonctionnent bien et qui permettent effectivement de, de donner des résultats très intéressants Hein, n'est-ce pas, en matière, de, en matière de restauration, parce que permet d'emmagasiner suffisamment d'eau. Et pour vous dire, euh, ces travaux permettent de multiplier là où la pluviométrie est de 500 mm, par exemple, de la multiplier par 2 à 3. Donc, euh, ça veut dire que effectivement, la capacité d'emmagasinement de ces, de ces ouvrages est telle que, effectivement, on peut assurer, hein, n'est-ce pas, euh, pendant toute l'année pratiquement, n'est-ce pas, des réserves d'eau suffisantes pour les plantes qui vont être mises en place, soit par plantation, soit par ensemencement. C'est ce que nous avons fait. Donc 14 000 hectares, n'est-ce pas, ont été euh, restaurés à la fois par la façon mécanique, mais aussi par, la, par des techniques euh, d'autres telles que la restauration, par la régénération naturelle assistée, ainsi de suite, par la, par la gestion des formations forestières. Euh, c'est toutes ces actions, n'est-ce pas, qui rentrent en ligne de compte pour faire en sorte qu'on on arrive à ce résultat-là. Donc, euh, comme espèces qui ont été utilisées, principalement, on a privilégié des espèces locales, parce que ce sont ces espèces locales-là qui présentent euh, euh, le plus de possibilités d'adaptation, n'est-ce pas, aux, régions. Et donc, cinq espèces ligneuses, donc de, ça dit d'arbres, ont été utilisées à peu près, et cinq espèces également herbacées, toutes présentant des intérêts sur le plan d'alimentation fourragée, et même dans certains cas d'alimentation humaine. Donc, voilà donc un projet qui vient euh, améliorer la résilience, si vous voulez, des, écosystèmes sur le plan, hein, n'est-ce pas, des espèces, hein, n'est-ce pas, euh, et, et, permettre aux populations de tirer meilleur profit de ces, de ces opérations. ça euh, Sama puisque euh, le projet de la Grande Muraille Verte est un projet panafricain, euh, est-ce que les autres pays sont dans la même dynamique Les autres pays, effectivement, sont dans la même dynamique, mais je peux, sans risque, en tout cas de me tromper, vous dire que ce qui a été réalisé au Niger est de loin plus important que ce qui a été réalisé dans les autres pays. De par le rapport global qui est élaboré par ce projet-là, hein, n'est-ce pas, au niveau global, c'est-à-dire au niveau international, le Niger s'est en tout cas euh, euh, doté des meilleurs résultats euh, sur le plan en tout cas des, réalisations. Et, là, comme il l'a dit, à côté de ces réalisations techniques, il y a eu des actions en direction, n'est-ce pas, des groupements pour leur permettre de mettre en place, n'est-ce pas, des, entreprises villageoises hein, et pour leur permettre de, de bénéficier, n'est-ce pas, des actions autour d'un certain nombre de réalisations telles qu'il l'a dit, euh, principalement basées sur les produits forestiers non ligneux, la transformation, n'est-ce pas, de ces produits. Donc, c'est, un certain nombre d'entreprises ont été mises en place. C'est, le moringa, c'est les balanites, c'est les carités, c'est les feuilles de fruits de baobab, euh, ainsi de suite. Donc, toutes ces espèces, n'est-ce pas, sont mises en valeur et ont permis de mettre en place des entreprises. Mais le plus important, c'est aussi ce qu'on a pu euh, favoriser, c'est l'intéressement de ces communautés à, mettre en place des entreprises de production de semences. Et c'est une activité très lucrative pour les populations dès lors qu'elles permettent, n'est-ce pas, à ces populations de mettre à la disposition non seulement de ce projet des semences de qualité, que ce soit des semences ligneuses ou des semences herbacées, mais aussi, n'est-ce pas, euh, à la disposition d'autres projets d'autres organismes qui sont intéressés par ces semences-là pour la végétalisation du milieu. Voilà. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce grand projet, est-ce que la société civile est impliquée La société civile euh, euh impliquée sur les questions d'organisation, parce que c'est principalement de, ça qu'il s'agit, sur les questions d'organisation des communautés, n'est-ce pas, la prise en charge des, actions, sur les questions de sensibilisation, Hein, n'est-ce pas Et même l'administration, parce qu'il faut aussi parler de l'administration en, a affaires siennes, au niveau des communes d'intervention, pour que ces actions se réalisent. Donc, je pense que c'est ça. Abdou Bacharou, vous avez quelque chose à ajouter oui, Merci beaucoup. Je voulais vraiment réagir par rapport à mhm. l'implication de la société civile. Depuis quand 2013, j'étais encore coordonnateur de, de, cette initiative-là. Euh, ça concède au moment où le pacte, le pacte 3 également intervient. Nous avons organisé un forum un forum national de la société civile à Dosso. Pendant toute une semaine, nous nous sommes concertés avec la société civile et ce forum-là a accouché d'une déclaration, dite la déclaration de Dosso, dans laquelle la société civile nigérienne s'engage à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de cette initiative. Ça, c'est le départ. Maintenant, l'un des projets, peut-être, c'est... on n'a pas eu le temps de le faire, le projet Fleuve est mise en œuvre. C'est vraiment un projet très compliqué, mais ça nous a permis vraiment d'asseoir et de sortir une, initiative de travail beaucoup avec des partenaires. Le projet Fleuve, dans l'ensemble de ces communes, est fait avec euh, les mairies, avec Amphit, mais également avec euh, la société civile. Par exemple, dans les régions, les quatre régions de Dosso, c'est avec euh, le RESAT. Le RESAT, c'est un autre réseau qui est sous le CNCOD, une coalition des ONG dans le cadre de l'environnement. Et dans les régions de, Dosso, c'est avec euh, euh, MARP. Donc, c'est pour vous dire en réalité, nous sommes en train de travailler avec la société civile. Actuellement, il y a deux projets qui, commencent également avec la société civile. C'est vraiment malheureux que le, frère Issa, Issa Garba n'est pas là. Nous avons actuellement lancé la semaine passée. Il, a euh, été, il, fait partie des invités, malheureusement, il semaine plateau. Un projet qui cible, au, au, au, ça doit être quatre communes que nous faisons avec eux en rapport avec Oxfam. C'est également dans le cadre de renforcement de la résilience des populations dans les communes d'intervention. Adam Garba, vous êtes euh, le président euh, du Parti écologique. La Grande Muraille Verte est-elle euh, dans le programme politique de votre parti Bien, je vais d'abord remercier le studio Kalangu pour avoir organisé cette émission, donc ce forum de sensibilisation donc, euh, de la population, des différents partenaires, de l'État par rapport à un sujet vraiment euh, d'importance qui est la Grande Muraille versée un projet pharaonique, on va le dire, parce que c'est un projet phare, en tout cas pour, euh, pour l'Afrique. C'est une référence. Et je dois dire que j'ai eu la chance euh, à tout hasard d'être au lancement de ce projet en 2010 à N'Djamena. Donc euh, je peux dire que je suis un témoin de la mise en place par les différents chefs d'État et de gouvernement donc de ce projet. Et en tant que parti vert également, nous sommes euh, intéressés par tout tous ceux qui touchent à l'environnement d'une manière générale, qui contribue à réhabiliter euh, nos forêts euh, qui ont disparu, qui participent euh, à reverdir donc notre environnement. Nous sommes des pays sahéliens vraiment qui sommes menacés par la désertification et notre intérêt pour ce projet est vraiment très grand. Et je vous dirais qu'en tant que parti vert, vous serez surpris de voir que la sensibilisation va au-delà du Niger. Parce que cette année, disons l'année dernière, au mois de décembre passé, après donc euh, la COP 25 qui s'est tenue euh, en Espagne, à Madrid, j'ai été personnellement invité par les Verts de la Pologne. Donc, c'est des Polonais qui ne connaissent pas bien l'Afrique, mais qui ont un intérêt particulier vraiment sur l'Afrique. Et j'ai été invité donc à assister à une semaine des films africains pour sensibiliser les Polonais sur ce que font les Africains. Et c'est là que j'ai vu ce film-là, La Grande Muraille Verte, qui a été donc projeté à tous les Polonais et qui a fait l'objet aussi d'un débat après la projection. Donc durant toute une semaine, les Polonais, et puis c'est les, les, Verts, c'est-à-dire euh, vraiment les écologistes polonais qui ont décidé d'organiser cette semaine pour uniquement parler des problèmes environnementaux de l'Afrique. Et ce film euh, sur la Grande Muraille Verte qui a été réalisé, c'était vraiment le clou de l'événement. Et moi, personnellement, j'étais très fier de voir qu'au-delà de l'Afrique, D'autres s'intéressent aux préoccupations africaines et au-delà, donc, qui veulent également contribuer à ce que euh, l'Afrique trouve des ressources additionnelles pour faire face à ces défis-là. Maintenant, moi, en tant que vert du Niger, ce qui m'intéresse vraiment, véritablement, c'est de voir la volonté politique s'exprimer à travers ce genre de projet. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas assez d'engagement au plus haut sommet de l'État Voilà, ce que c'est mon constat qui est tout à fait personnel, bon, que les autres qui sont là, qui sont des spécialistes de la question, qui sont des professionnels euh, qui s'intéressent à la cause, eux-mêmes, ils ont besoin de l'appui politique. Malheureusement, cet appui politique n'est pas toujours présent. Parce que quand vous regardez euh, au niveau même euh, de l'organisation politique administrative de notre pays, le ministère de l'Environnement, c'est un parent pauvre. Alors que toutes les ressources vraiment de ce pays, principalement l'agriculture, l'élevage, qui nourrissent la population, parce que nous avons du pétrole, nous avons de l'uranium, nous avons toutes ces ressources, mais ce n'est pas ça qui nourrit l'homme nigérien. Aujourd'hui, l'homme nigérien est nourri par l'agriculteur nigérien, par l'éleveur nigérien. Donc, nous estimons que, en tout cas, jusqu'ici, le constat que nous faisons, la volonté politique n'est pas suffisamment exprimée. Et en ce sens que dans tous les pays du monde, quand il y a des urgences, c'est à l'État de déclarer une urgence. Vous avez vu quand euh, tout de suite on parle du, corona, euh, du coronavirus, le président américain a déclaré une urgence nationale. Aujourd'hui, en matière d'environnement, nous sommes au-delà de l'urgence. Ça fait au minimum deux décennies que nous sommes dans l'urgence environnementale au Niger. Adam Garba, le président nigérien Issoufou Mahamadou, avait participé à la COP22 Marrakech au Maroc. Il a quand même pris un certain nombre d'engagements. Les engagements que prend le président, nous sommes aujourd'hui, nous sommes là à Niamey pour parler terre à terre. Vous avez vu la ceinture verte de Niamey. Vous, en tant que studio, vous avez participé à la sensibilisation comment réhabiliter la ceinture verte du Niger. Or, nous, ce que nous disons en politique, on dit qui peut le plus, peut le moins. Ça ne sert à rien de faire des grands discours dans des grandes réunions comme celle-là si le minimum qu'on ne peut pas... La ceinture verte, c'est quoi C'est que 25 km sur 1 km autour de Niamey. Aujourd'hui, allez voir comment elle a été détruite. Nous voulons voir la volonté politique s'exprimer sur le terrain, pas dans les discours. Je pense que nous avons dépassé le temps des discours, nous sommes au temps des actions. Adamou Garba, la ceinture verte, vous l'avez rappelé, euh, de Niamey est aujourd'hui devenue comme un espace ordinaire, morceleux et vendu, une décharge d'ordures aux grandes dames des responsables des services en charge de sa gestion et au mépris des textes de la République. À ces menaces s'ajoute la coupe du bois, une source d'insécurité principalement pendant la saison des pluies pour les riverains. Quel lendemain Adamou Garba pour ce poumon vert à Niamey ben, vous savez, l'histoire est têtue. Il y a à peine 3-4 euh, jours, vous avez assisté à un important incendie qui s'est déclaré dans la ceinture verte de Niamey. Il a fallu faire appel aux sapeurs-pompiers. Il y a des animaux qui sont brûlés, il y a des arbres qui sont brûlés dans cet incendie. Pourquoi Tout simplement parce que au-delà des discours, au-delà des décrets qui sont pris en Conseil des ministres, nous voulons voir des actions. Parce que si aujourd'hui on avait commencé à poser ne serait-ce que le premier jalon que le président de la République, chef de l'État, aille dans la ceinture verte, poser la première pierre, dire voilà ce que nous voulons faire de la ceinture verte pour la récupérer, pour que plus un mètre. des, actions, des actions ont été faites à l'occasion hein, des 3 août, des journées de plantation d'arbres des actions, mais des actions pour quelle finalité Aller repasser sur le terrain, voir le résultat quelques années plus tard. Il n'y a pas d'entretien selon vous Nous-mêmes, nous avons planté des arbres qui ont été après abattus par euh, des bulldozers envoyés par le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous avons au moins l'expérience euh, pour parler de la ceinture verte. Et nous disons que véritablement, euh, jusqu'ici, nous n'avons pas encore commencé les véritables actions réelles pour pouvoir réhabiliter la ceinture verte de Niamey. vous avez quelque chose à ajouter <coughs> Oui, effectivement, euh, je voulais ajouter qu'en plus de ce projet Action contre la désertification, comme contribution de la FAO à la mise en œuvre de la Grande Muraille verte, il y a un projet qui a démarré, non des moindres, il y a deux ans, et c'est le projet de restauration des, forêts et des paysages. Donc ce projet vient avec une approche euh, novatrice, celle de mettre les communes au centre de la réalisation, de la mise en œuvre des actions, évidemment restant toujours dans l'espace de la Grande Muraille Verte. Et donc euh, les moyens seront mis à la disposition des communes dans le cadre de transfert des ressources aux communes à travers l'ANFICT et c'est justement par ce processus-là que les communes sont responsabilisées pour la mise en œuvre des actions de restauration et ainsi de suite. Et c'est plus de 1500 hectares qui sont visés sur quelques trois, trois communes, n'est-ce pas, d'intervention, n'est-ce pas, de ce projet-là, que sont Soukoukoutan, que sont Ilela et également Kolo. Donc, euh, je pense que c'est aussi un projet d'une contribution très importante qui est en train de se mettre en œuvre et qui a bien avec une approche nouvelle euh, d'intervention mettant évidemment les communes au centre de la réalisation des actions. Maintenant, en matière de, de perspective, évidemment, la FAO poursuit la mobilisation des ressources. Elle va poursuivre la mobilisation des ressources pour certainement faire en sorte que... À travers des plaidoyers. à travers des plaidoyers. Et je crois que euh, ce forum-là est aussi un cadre de plaidoyer parce que en faisant savoir d'abord ce qu'on a fait, je pense que si tout le monde sait ce qu'on a fait, ce sur quoi ça a porté, les portées de ce qu'on a fait, je pense que ça va sensibiliser plus, n'est-ce pas, d'une personne pour s'intéresser, n'est-ce pas, à la question, que ce soit les partenaires, les autres partenaires, que ce soit également eh, les nationaux, que ce soit aussi les privés. Si en tout cas il apparaît de toute évidence, et comme cela apparaît que ce sont des actions assez bénéfiques sur le plan des interventions avec un retour d'investissement au bout de deux ans, n'est-ce pas, sur les terrains d'investissement, vous récupérez le montant que vous avez. Pourquoi pas que des privés s'intéressent également à la question Ça aussi, c'est une piste, je crois, de financement qu'il est possible d'explorer. Évidemment, il faudrait que tout le monde soit convaincu qu'il y a effectivement un retour d'investissement, qu'il y a bénéfice, n'est-ce pas, au, niveau de toutes ces interventions que nous faisons au, niveau du monde rural. Donc, euh, on va poursuivre effectivement la recherche des financements parce que comme il a dit, c'est un projet pharaonique. C'est un projet pour la vie. C'est un projet pour les générations. Un projet euh, panafricain. panafricain. Euh, je parle sous le contrôle, hein, n'est-ce pas, du, directeur, directeur de l'agence, que c'est près de 235 communes au Niger qui sont concernées, n'est-ce pas, par la mise en œuvre de cette grande muraille verte. Pour l'instant, on n'a choisi que 12, n'est-ce pas alors, euh, Watasama Issoufou, comment freiner euh, l'ampleur du phénomène de la désertification au Niger Non, incontestablement, euh, je pense qu'une des actions, c'est celle-là. C'est faire en sorte que cette grande muraille verte trouve sa mise en œuvre dans, sa, dans la plénitude totale. Ce n'est pas seulement des actions de restauration, mais c'est toutes les actions qui permettent, n'est-ce pas, de, de d'améliorer la résilience des communautés vis-à-vis, évidemment, de, cette dégradation du milieu. Qui dit euh, amélioration de la résilience, donc dit amélioration des conditions de vie, amélioration des conditions économiques, n'est-ce pas, des populations, et donc euh, capacité, n'est-ce pas, des populations à mettre en œuvre des actions qui soient euh, vraiment génératrices de revenus et également qui ressortent encore mieux le milieu là. Donc voilà les, choses par lesquelles, les réalisations par lesquelles il faut est passer. Que, euh, euh, est-ce que euh, ces réalisations suscitent l'adhésion des communautés Sans aucun doute, c'est ce que je vous ai dit. C'est quand vous restaurez 14 000 hectares et que ces 14 000 hectares peuvent produire à l'hectare quelques 500, même 1000, une tonne de matière sèche à l'hectare pour l'alimentation du bétail. Et ça, c'est incontestablement, les populations adhèrent et trouvent leur intérêt dans la mise en œuvre de telles actions parce que la gestion, par après, de permettre de restaurer, revient aux communautés. Et c'est ça l'intérêt de, de, la, de, la, décentralisation, passer par cette approche novatrice de la décentralisation, mettre les communautés au centre pour qu'elles sachent que ce qui est restauré, c'est une action qui est là, qui est plutôt bénéfique aux communautés. Donc je pense que c'est une fois que c'est fait comme ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait du recul par rapport à la prise en charge des actions et par rapport également à la réplication, n'est-ce pas, de ces interventions-là. Ah, Abdou Maïcharou, vous avez quelque chose à euh, ajouter Vraiment, par rapport à votre dernière question, il y a l'adhésion de la l'adhésion de, l'adhésion de la population. C'est, très important. Pour le moment, tout ce qu'on fait, on fait avec elle. Mais je pense que le plus important, c'est que il faut qu'il y ait vraiment un changement de comportement, surtout un changement d'habitude. Le Niger n'est jamais actuellement ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il faut qu'on change vraiment par rapport à nos habitudes, surtout alimentaires. On ne peut pas comprendre jusqu'à encore en 2020 qu'il faut utiliser le bois pour cuire nos, aliments. Alors que nous disposons du charbon, du, charbon, minéral et du gaz et du gaz. Vraiment, il va falloir euh, axer sur cette substitution-là. Au moins laisser nos forêts intactes pendant au moins 10 années. Euh, je sais que euh, mon frère, mon grand frère ne va pas, <laughs> va pas me permettre de, de, cette discussion. C'est important de laisser se reposer, de laisser se régénérer. Les, nous, avons beaucoup de, formations de combrètacées, mais leurs capacités de régénération sont très importantes. Sur ces peuplements naturels-là, trouve ce temps-là de, régénération. Il faut tendre mieux vers le gaz. Et c'est là où je, salue vraiment la, ce que l'engagement euh, des, Verts. Il faut, il faut vraiment il faut taper fort. Je pense que c'est important. Nous avons déjà, il y a de 10 ans, faire une sorte de convention avec Sonihi. Ça a commencé avec les fonctionnaires pour avoir les kits. On sait que en ce qui concerne le gaz, le plus difficile, c'est le kit la bouteille de gaz, tout ça c'est frais d'installation-là au départ qui sont, qui sont très chers. Mais actuellement, avec toute cette euh, sensibilisation-là, nous avons encore des exemples de femmes qui font du bain avec du, le, gaz butane. Il faut que ça, il faut que ça, ça continue. Abdou Mecharou, pour la plantation, on parle euh, le plus souvent de régénération naturelle assistée, euh, car la densité de flore actuelle est souvent insuffisante pour espérer une euh, régénération naturelle et spontanée. Comment ça se passe concrètement sur le terrain eh, beaucoup. La régénération naturelle, en fait, c'est une expérience très formidable et qui consiste, je voudrais, de façon très claire à laisser la nature faire son cours. Peut-être l'on va juste intervenir pour un peu élaguer, pour donner à l'arbre une forme. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser les écosystèmes, il faut laisser la nature suivre son cours. est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation sur le terrain eh, exact. dans sens Je dirais même que c'est déjà ancré. C'est déjà ancré. Ah dans, euh, beaucoup de projets ont beaucoup travaillé, et ça depuis longtemps, où les paysans eux-mêmes qui ont appliqué cette technique de, défrichement amélioré, le repérage des plants, de les entretenir pour les laisser, ils trouvent beaucoup de bénéfices en termes de production de, euh, de, céréalières dans leur champ. Parce que on ne peut pas faire un champ comme moi dans la cour d'une maison. On ne peut rien voir. Non, non. Ça, ça ce n'est pas bénéfique pour même la production agricole. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment laisser les pousses survivre, s'exprimer avec les produits de l'élégage si nous n'avons pas, ou si cette famille là n'a pas les, capacités d'avoir le gaz, elle peut vraiment survivre avec euh, les résidus résidu qu'elle utilise pour l'entretien de, ces plantes. Abdou Maïcharou, comment utiliser euh, les plantes là sans les détruire Il y a très bien vraiment des, des, des, des méthodes et ils font leur chemin dans les communes. Il y a même des fiches techniques qui sont, qui sont imprimées par beaucoup de nos partenaires ONG qui utilisent ces, ces, techniques-là. L'herbe peut très bien être élagué sans en à euh, sa vie, sa vie, sa totale. Et la, la, technique, je crois que c'est bien ancré actuellement dans beaucoup de régions du Niger. Madame Garba, vous, en tant que parti vert euh, et les autres euh, éléments de la société civile, quelle est votre contribution euh, pour aider la FAO, le ministère de l'Environnement pour la réalisation, pour la concrétisation de tous ces projets Bien, nous, notre contribution, hein, le directeur général est là. Ce qu'il a dit, je rebondis d'abord sur son idée, c'est-à-dire l'utilisation de certaines énergies renouvelables nous avons le solaire, nous avons le gaz. Et nous pensons que pour qu'on voit l'impact de tous les projets qui sont en train de mener, et il a si bien dit, il faut laisser un temps soit peu la nature se régénérer. On ne peut pas continuer à prélever sur la nature alors que nous avons d'autres moyens pour continuer à avoir euh, de l'énergie. Et c'est en cela que nous, notre rôle, vraiment, c'est cette volonté politique que nous continuons à réclamer. Aujourd'hui, tout est basé sur des politiques. Pour réussir dans un domaine, il faut avoir des politiques dans ce domaine-là. Et ces politiques-là doivent s'exprimer et s'appliquer sur l'ensemble du territoire du pays pour montrer véritablement voilà ce que le gouvernement. Même dans les villages les plus reculés, même vous dans dire. les villages, comme il l'a dit, quand vous élaguez, mais on peut utiliser ces produits qui ont été élagués, mais il faut laisser, c'est-à-dire le capital aller, c'est l'arbre en question qui représente le capital. Vous élaguez les branches, vous utilisez les branches élaguées qui sèchent, non seulement pour le bétail, pour votre consommation, mais laissez quand même l'arbre continuer à, à se développer. Et au-delà de l'arbre, on va parler de l'ensemble euh, de, de, nos forêts. En 30 secondes, Wata euh, euh, Sama Isufu, quelles sont vos appels, recommandations pour réduire au mieux l'ampleur du phénomène de la désertification au Niger et la bonne réussite du projet de la Grande Muraille Verte rapidement Incontestablement, il faut passer par une prise de conscience. Moi, je pense que ce qui va permettre de, de modifier les comportements, quand vous avez pris conscience d'une situation, à travers les actions de sensibilisation. À travers les actions de sensibilisation et, aussi les actions démonstratives, n'est-ce pas, euh, sur la gestion des ressources naturelles, fondamentalement. À partir de ce moment-là, euh, effectivement, euh, les uns et les autres vont modifier leur comportement vis-à-vis. Mais aussi, je pense qu'il faut donner la bonne information. Jusqu'à présent, peut-être que on n'a pas beaucoup informé les communautés qui pensent que les ressources naturels sont là, inépuisables. Et maintenant, il faut leur donner l'information que l'espace est fini, que les ressources sont dégradées, qu'il euh, il n'y a que très peu de ressources, n'est-ce pas, à la disposition de ces communes, à la disposition de ces populations. Et donc, le peu qui reste doit être géré. Le peu qui reste doit être géré. La Grande Muraille Verte d'Afrique est une initiative panafricaine qui vise à lutter contre la désertification dans le désert du Sahara et au Sahel. Compte tenu des objectifs à la fois environnementaux et sociaux affichés, les chercheurs de toutes disciplines ont un rôle important à jouer en mutualisant leur expertise pour guider les décisions des institutions gestionnaires euh, du projet. Euh, nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangu Nous avons eu le plaisir de recevoir Abdou Charou, directeur général de la Grande Muraille Verte au ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Wata Sama Issoufou, conseiller technique Action contre la désertification à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et Adamou Garba, président du parti Éco du Niger, le RSV Nima. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. La technique est assurée par Seni Isaka. Côté vidéo, Ayuba Mustafa. Merci, au revoir.